2023, chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour. Nous sommes ravis encore une fois de plus de vous tenir compagnie dans cette toute nouvelle édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Moi, c'est Fanta Chamsou et je suis avec Mariam Adey. Bonjour Mariam. Bonjour Fanta. J'espère que tu as passé un bon week-end. Ouais, tranquille et toi Ça va, Alhamdulillah. Alors, quel est le menu du jour Un menu bien garni, Mariam. Comme d'habitude, il y aura le flash d'information et la rubrique justice avec Tarnan Foudey Ahmed. Ensuite, nous allons faire un tour à Maradi pour parler de l'éducation de la jeune fille. Sans oublier la page sport avec notre chroniqueur sportif Guruza Hassoumi et de la culture linguistique en français et en anglais avec Jackie Dalton. Et ce matin, nous recevons comme invité Aboubakar Adam, surnommé Ikali. Il est guitariste et aussi artiste chanteur. Chers auditeurs, sans tarder, nous allons accueillir Rafika Attaher pour le flash d'information. Bonjour Rafika. Bonjour Fanta. Comment tu vas Ça va, Alhamdulillah. Alors dis-nous, quelle quelles sont les infos ce matin Alors, euh, pour les infos, vous avez euh, la fin de la mission du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Natatou Ibrahim, dans la région de Maradi. Cette mission avait pour objectif d'apprécier l'état de mise en œuvre des principales réformes engagées par le ministère de l'Éducation nationale à Maradi du 30 avril au 6 mai 2023. Au terme de sa mission, le professeur a relevé que la région de Maradi compte 8, 8668 euh, oui, 8, 868 221 élèves, tous cycles confondus, dont 45,50% de filles, plaçant la région en tête du classement au plan national. Maradi totalise en tout 3830 établissements scolaires et 16 087 salles de classe du primaire et du secondaire, dont 8208 classes en période soit plus de 51% du nombre de classes, indique l'agence nigérienne de place. Ensuite, euh, nous avons le lancement officiel jeudi passé de la deuxième stratégie pays 2023-2028 de Aid au Niger, avec comme principale ambition de s'assurer que tout le monde et partout au Niger a accès à l'eau potable et à des toilettes décentes résilientes au climat pour 6,8 millions de personnes, notamment dans le bassin du Goulbi à Maradi. Ce programme touche aujourd'hui plus de 2 millions de personnes et vise d'ici 2028 à renforcer la résilience des services eau, assainissement et hydraulique dans le sous-bassin de Goulbi, Maradi et d'accroître le financement du secteur EAH à eau de 70%, soit environ 1300 milliards de francs CFA. Une vision et des initiatives pour l'accès universel à l'eau portable et à des toilettes correctes et à une bonne hygiène. Et enfin, Fanta, après le constat fait par les femmes parlementaires de la CDAO, selon laquelle les femmes et les jeunes de la sous-région de la CDAO sont systématiquement marginalisées à raison de leur âge, leur sexe, de leurs possibilités limitées et de leur manque d'expérience en politique. Le réseau des femmes parlementaires ECOFEPA, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a organisé du 5 au 6 mai 2023 une rencontre populaire à Abuja sous le thème Stimuler une dynamique régionale pour l'encadrement de la prochaine génération de décideurs. Cette rencontre vise à redynamiser la démocratie en donnant la parole aux femmes et aux jeunes à travers des échanges et partages d'expériences entre participantes dans le but de créer l'émulation chez les autres femmes et jeunes afin de réussir leur vie de quelque bord où elles se trouvent. À travers cette rencontre ECO, pas entend aussi faire mieux connaître le Parlement de la CDAO, les procédures parlementaires en matière d'adoption des projets de loi, promouvoir le leadership et l'activisme social, partager les expériences politiques et faire découvrir à chaque femme le potentiel qui sommeille en elle. C'est ah, tout pour ce flash d'info, que, que cette rencontre va porter ses fruits, Rafika. Merci beaucoup. Mhm pour toutes ces informations. Je t'en prie, Fanta. Chers auditeurs, comme annoncé, nous recevons ce matin Aboubakar Adam comme invité. On le connaît aussi sous Ikali, il est artiste, chanteur et guitariste. Ikaliani. Ça va, alhamdulillah. mais avant, nous allons euh, souffler en musique, n'est-ce pas, Mariam Bien sûr, Fanta, Chers auditeurs pour notre première balade en musique, nous allons faire honneur à notre invité, écouter Kela Zaman. Une de ses musiques See you.

kana da abin hannunka ne kin gane mm. to shine ake cewa kamar kamar mai kuɗi ko kuɗi ko komi ma rayuwar ta zama to kawai sai da karfinka ne za a yi mhm. shi ne sakon da ke a ciki ko akwai wani sako bayan shi shi ne sakon da yake ciki kuma kamar. kamar dai da busan shi ne aka yi waka kuwa mm. bisa rayuwar yanzu da soyayya yanzu daga kewa abu ta yanzu duk ta komiya ko kudi ne mm. ga wasu fa ban ce ga kowa ba ah, eh <laughs> to ikal ka jima kana waka bon na jima ina waka da farko dai na waka ma ina interpret ɗin mutane ne haka ina ina yi amma yanzu dai abin da ya kama daga demil eh, kenz har yanzu duk wakokina ne nake mm-hmm. to menene matsayin waka a wajenka waka matsayin ta abu ne wanda yake da ina yin shi kaman ina son shi ne kwarai mm-hmm. ina son shi ne kwarai har ya kai wani mai da abin kamar sana'a kenan ka waje na abu ne wanda ke yanzu da shi ke yi hmm. ikali muna so mu sani shi wannan waka ka gado ta ne a gidan ko kuma ya ne ban gado ta ba haka dai ka tashi ban gado ta ba kawai sa kai ne kai ka sa hmm. kanka eh. yaushe ko har buga gitar ke gitar ah, gitar bon lokacin nan gitar ba irin wanga gitar ba ne kamar ina yin gitar na katako na banza da yaka tunda gidanmu mu uku ne ko mu fudu muke buga gitar sai muna fa baikin gitar nan gida tsakanin mu da yaka muna juye a lokacin baban mu baya so muna buga gitar to sai wajen 2012-2013 na gamu da bibbi tunda yake tanawa kowa ya san shi to tare da shi na fara na fara yawon gitar a ce da ingilan sai da cikin harkar music 2012-2013 ne to muna so mu sani zance an ka yi waka da wani artist da wani ne kake so ka yi kolabore da shi bani da bambanci bisa harka wannan duka ɗaya ne hoshe duk wanda yake yana da niyya ko kuma yana ga zamu iya aiki tare kowa yana yana kama wajena Maryam baki da wata tambaya da zaki kara ma ikali no fulla furushin <laughs> to ka ikali ina ji zai kyau mu yi shiru mu kyale ka ka dan buga mana gitarkin nan da nake gani a hannunka ba sauraron mu da fatan ah, wannan shirin yana ci gaba da kayatar da ku قائل الزمان تخراكي ترى هالنسن قائل الزمان تخراكي ترى هالنسن ترى هالنسن طاق الفرارة واتني ترى هالنسن طاق الفرارة واتني قائل الزمان تخراكي ترى هالنسن قائل الزمان تخراكي ترى هالنسن ترى الناس انطاق الفرارة تواتيني ترى الناس انطاق الفرارة تواتيني يشريد الزبانة يتما ويسك صدن بس توتي الله ترى بس توتي الله دواء بس توتي الله ترى بس توتي الله دواء جيل الزمان تغراكي ترهن سن ترهن سن تقل فرارة وهتني ترهن سن تقل فرارة وهتني خاطري بطرها سوليا سوليا ورقة فلتي دن الدينات سوليا ورقة فلتي دن الدينات كإلى الزمان تخراكي ترى هندسن كإلى الزمان تخراكي ترى هندسن ترى هندسن طلق الفيرة رطوة دينات Eh oui, chers auditeurs, ça se passe en direct au studio. Au studio avec nous, nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir ces talentueux artiste que vous venez d'écouter. Ikali. Ah. Naga Maryam tana ta takawa tun da fatan wannan waƙar ta ƙayatar da ku. Ikali sai tambaya ta ta gaba. Wai yaya mutane musamman makusantanka ah. suka ji a lokacin da ka fara waƙa? to zan ce dai kaman surtu ga abokai haka ga saraye eh. tunda a lokacin ina ina gitar da haka dai mai wakokin mutane na fi yawa mhm. amma a lokacin da mutane suka shi na fi dokowa da yawa abin ya bashi mamaki cikin da ya abin ga kama in ce generation kintawa abokai na duka mhm. da gaskiya na samu kama hannu kure tare da su kuma ya eh, idan na ce ka ina nufin hada dangi wato iyaye ah. kannai da yannai iyaye ma abu ya ba su mamaki faske ba su tabbatar ma zanin abin da na yi ba mm. to daga bayan nan ne da aka girda wannan ban da matsala bisa harkar shi yanzu ko wanda ke hana ni ma'ada yanzu bai bai ruwan shi da harkar gitar da nake mm. kamar dai ta karbo a gida a ta karbo to ikalimi ka samu a cikin waka da gitar na samu gaskiya na samu abu da yawa wanda wanda yau da haraka da bisa kan waka alhamdulillah ina rike da kaina bai kai ba ina bai da kamar mi ake ce mishi mika hannu ga wani kin gane kuma na yi sanin mutane da yawa bisa harkar music akwai mutanen da ban ma tabbatan ma zan sanin su amma saboda music ne wa Allah ya sana san su mhm. kenan na ji da kwarai bisa haka To ko akwai wani saƙo na musamman da kake son ka tura matasa masu sauraron mu a daidai wannan lokacin? Masu sauraron mu ko masu niyyar hakan. Ko masu ma niyan hakan. To duk wanda yake da shi aiki duk kowane iri ne ko menene ne abin da ake so gare shi guda ne niyya. Duk in ka sa niyya ka sa kokari a kanka komi bai doya Bai ba zancen ka ka jira wani ya koya maka wani ne komi balle mhm. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre oh. présence. Chers auditeurs, on fait une petite pause en musique et on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, c'était Emmata Massou de Mamansani Mati, un artiste nigérien qui a longtemps fait de la musique traditionnelle avant de se lancer dans le rap. Comme vous l'avez entendu, il joue des instruments traditionnels tels que le groumi et le garaya. Voilà, chers auditeurs, maintenant on passe à la rubrique hebdomadaire de ce lundi et nous allons parler de justice et de l'abandon de foyer avec Tarnan Foudey Ahmed. Bonjour Tarnan. Bonjour Fanta, comment ça va Ça va, Alhamdulillah. <laughs> Mariam, ça va Tranquille, Tarnan. <laughs> ok, super. Alors, euh, Tarnan, tu es là pour nous édifier sur l'abandon de foyer Oui, exactement. C'est un entretien que nous avons réalisé euh, avec notre juriste Abdelrazak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. D'ailleurs, je vous propose euh, qu'on l'écoute d'abord, après on revient. Qu'est-ce que c'est que l'abandon des foyers L'abandon des foyers constitue un délit qui se caractérise par le fait de ne pas exécuter une obligation familiale pendant un certain moment. Il faut rappeler qu'une obligation familiale est considérée comme telle dès lors qu'il s'agit de la contribution à l'entretien de la famille et à l'éducation des enfants. Quels sont les éléments matériels constitutifs d'infraction d'abandon des foyers En effet, au sens de l'article 260 du Code pénal, il y a plusieurs éléments matériels qui permettent de caractériser l'infraction d'abandon de foyer. On peut les énumérer comme tels. Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave pendant plus de deux mois la résidence familiale et qui se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale peut être poursuivi sous le chef d'abandon de foyer. Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus de six mois sa femme, la sachant enceinte, peut être poursuivi sous les chefs d'abandon du foyer. Le mari qui, sans motif grave, abandonne sa femme pendant plus d'un an peut également être poursuivi sous le chef d'abandon du foyer. La femme qui, sans motif grave ou hors des cas prévus par la coutume, abandonne volontairement les domiciles conjugal pendant plus de trois mois peut également être poursuivi sous les chefs d'abandon des foyers. Qu'en est-il en cas de refus de payer une pension alimentaire ordonnée par le juge Effectivement, en ce qui concerne eh, le refus eh, d'exécuter ou de payer une pension alimentaire à son conjoint, eh, au moyen d'une ordonnance prévue par le juge, peut également être sanctionné au titre de l'infraction d'abandon du foyer. C'est l'article 261 du Code pénal qui dispose que toute personne qui, en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement, l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, et qui est resté volontairement demeuré plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge, ni acquitter le montant intégrale de la pension alimentaire peut être poursuivie sous le chef d'abandon de famille. Quelles sont les sanctions attachées à l'infraction d'abandon de foyer Et Il y a des sanctions qui sont attachées à l'infraction d'abandon de foyer. Ces sanctions varient selon qu'il s'agit du refus de payer la pension alimentaire déterminée par le juge ou eh, selon les autres cas. En ce qui concerne le refus de payer une pension alimentaire déterminée par les juges. Et les sanctions euh, sont un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 20 000 à 200 000 ou de l'une des deux peines seulement. Euh, pour les autres cas, au terme de l'article 160 du Code pénal, les sanctions sont un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 20 000 à 200 000 ou de l'une des deux peines seulement. Quelle est la procédure à suivre pour répression de l'infraction d'abandon de foyer la particularité procédurale de la répression de l'infraction d'abandon de foyer est caractérisée par le fait que seul l'époux qui est resté au foyer pendant le mariage peut exercer la poursuite. Donc l'abandon du foyer est une infraction pour laquelle le procureur n'a pas un pouvoir d'auto-saisine. Donc le procureur ne peut pas s'autosaisir pour engager une action publique dans le cadre de l'infraction d'abandon du foyer. Il faut forcément la plainte de l'époux qui est resté au foyer pendant le mariage. Ce que le important de rappeler aussi, le désistement de l'époux resté au foyer met fin à la poursuite. Donc en cas de poursuite, lorsque l'époux qui a engagé la poursuite décide de se désister, cela met fin à la poursuite. Et même en cas de condamnation, et lorsque l'époux offensé, l'époux qui est resté au foyer, qui a exercé l'action publique, et décide de pardonner, donc son pardon arrête le fait de la condamnation. Tarnan, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien sur l'abandon des foyers Bon, Mariam, euh, on vient d'écouter notre juriste euh, et moi, ce que j'ai ajouté, il y a des conjoints qui quittent leurs épouses et vice-versa sans être euh, divorcés pour diverses raisons. Dans certains cas, les maris partent en exode et ne parviennent plus à entretenir leur famille qui reste souvent sans nouvelles pendant plusieurs mois, voire des années. Et cela peut être qualifié d'abandon des foyers et un délit aux yeux de la loi ici chez nous au Niger. En gros, il se caractérise par le fait de ne pas exécuter une obligation familiale pendant un certain moment. Le juriste Mahazou a insisté sur le refus de payer une pension alimentaire ordonnée par un juge et cela peut exposer les réfractaires à une sanction. Il, a, aussi rappelé dans le cadre d'une infraction liée à l'abandon des familles, les procureurs ne disposent pas d'un pouvoir d'autosaisine, c'est-à-dire il ne peut pas s'autosaisir lui-même pour engager une procédure aussi, il, notre juriste a, rappelé que lorsque l'époux qui a engagé la procédure désiste, cela met fin à la dite procédure. Merci Tarna <laughs> et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Chers auditeurs, avant de continuer, nous allons faire une pause musicale avec nos rossiban des temps nationaux. was all over now. Irigiti say, see how she, how she, look, look, look, look, look, look, look, look, look, passado zongo zongo zongo zongo malengo Zongo, chola Tal National est une formation musicale du Niger. Elle regroupe plusieurs chanteurs et, instrumentistes. Le groupe Tal, National a été formé en 2000 par Hamadel Issoufou Moumine, également connu sous le nom Almeida. Voilà, chers auditeurs, à présent, direction Maradi pour le reportage région. Aujourd'hui, notre correspondant Mohamed Maman nous propose un sujet sur l'éducation des jeunes filles comme facteur d'autonomisation de la femme. Eh oui, l'éducation est reconnue de tous comme être un levier de développement. On écoute. Il est reconnu de tous que l'éducation est le fondement de tout développement. Les femmes éduquées peuvent jouer un rôle important en contribuant au développement du pays. Je m'en vais vous donner l'exemple de Mme Abdramanindat Ibrahim, enseignante à l'école bilingue de la commune rurale de Giratawa. Ses parents ont eu la clairvoyance de l'inscrire à l'école. Après plusieurs années d'études, elle est aujourd'hui enseignante, autrement dit, une femme salariée. Étant économiquement indépendante, elle peut sans attendre son mari subvenir à ses propres besoins. L'enseignement a une bonne euh, importance car on arrive à subvenir à nos besoins. On contribue encore dans, la gestion du foyer. On n'a pas besoin d'attendre monsieur car on est un peu satisfait. En tout cas, je suis fier. C'est une liberté d'avoir quelque chose pour subvenir à ses besoins, de ne pas attendre quelqu'un ou le mari ou quelqu'un de la, famille ou les parents. On peut même aider quelqu'un avec euh, le peu qu'on arrive à obtenir. En effet, depuis quelques années, une nouvelle dynamique est lancée pour la scolarisation de la jeune fille. Toutes les attentions nécessaires sont portées aux jeunes filles qui, pour des considérations culturelles, ne sont pas en grand nombre inscrites à l'école aux dépens de jeunes garçons. Seulement, ce tort est en train d'être réparé, le reconnaît le directeur de l'école bilingue Jiratawa, M. Shaïb Gonda. Nous, ici, nous avons plus de filles que de garçons parce qu'on arrive à sensibiliser bien les parents et puis les parents amènent vraiment les filles euh, à l'école. Une femme autonome, c'est une femme qui peut s'auto-suffire quand elle euh, arrive à se supporter elle-même donc elle peut éviter certains désagréments de la vie. Une femme qui arrive à avoir son salaire, c'est une femme qui peut aider, supporter les autres, aider ses parents et aider et se comporter comme euh, une femme digne de, son nom. Même au niveau de la direction de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, ce constat est fait. Pour Ali Moussa, l'éducation peut être un véritable levier pour l'autonomisation de la femme. Vous voyez même la scolarisation de la jeune fille. Ici à Maradi, vraiment, ça va très bien. Ça va de l'ensemble. La scolarisation de la jeune fille est en train de prendre de l'ampleur de telle sorte que si vous partez dans une classe de 50 élèves, 40 sont des filles. Vraiment, donc, ça va à Maradi, ça va. Et on espère que ça continue comme ça. Oui, c'est un levier c'est un levier, puisque si la femme n'est pas éduquée, elle ne peut rien comprendre. A plus forte raison, être autonomisée. Si elle, peut, ne comprend rien, elle ne peut pas être autonomisée, puisqu'elle va agir dans quel sens. Mais au moins, si elle est éduquée, donc elle comprend les choses de la vie. Elle peut prendre des décisions et agir. Les jeunes filles doivent être inscrites à l'école, selon Mme Abdramani Tou Ibrahim, qui profite pour remercier ses parents de l'avoir inscrite à l'école. J'invite les parents à inscrire leurs enfants à l'école, surtout les filles les filles doivent être à l'école, vraiment. Il n'est plus un secret pour personne. Les obstacles qui empêchent aux jeunes filles d'aller à l'école sont connus. Il suffirait à l'État et à ses partenaires que ces jeunes filles soient scolarisées pour être les grandes artisans du futur. Après ce reportage très édifiant, on retrouve Mohamed au bout du fil. Allô Allô, bonjour. bonjour. Mohamed. Bonjour, Fanta. J'espère que vous allez bien à Maradi. Oui, je vais bien, je vais très bien, bien merci. Super, alors euh, on vient d'écouter votre reportage sur la scolarisation, l'éducation de la jeune fille. Mhm. Dans le reportage, on parle beaucoup de l'amélioration de la situation. Est-ce que avant ce n'était pas le cas à Maradi ah, avant, ce n'était pas le cas parce que euh, Maradi a beaucoup souffert de cette disparité euh, entre jeunes filles et jeunes garçons à l'école. Hein, parce que euh, les jeunes filles, euh, en tout cas beaucoup de parents euh, préfèrent que les jeunes filles sortent dehors, faire le petit commerce, mhm. que d'aller à l'école. Alors, il était important pour nous de, faire ce genre de, reportage pour montrer que la femme, une fois une fois instruite, peut être un levier, elle peut s'autosuffire et prendre en charge sa propre famille. Donc, et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, la chargée de la scolarisation de la jeune fille. Mhm. Euh, les tendances sont bonnes et euh, les indicateurs sont en train de, de, changer. Mais dites-nous, Mohamed, est-ce qu'il y a une situation, où je, dirais des situations en particulier qui ont fait euh, prendre conscience aux parents sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille Je pense que les parents sont aujourd'hui obligés d'emboîter le pas à, à, ce monde moderne où euh, la jeune femme euh, ne doit pas simplement rester non seulement au foyer, mais également dans la rue, euh, comme pour faire le commerce. En tout cas, les, parents aujourd'hui, avec les sensibilisations, avec parce qu'il faudrait le, reconnaître, en Marabie, il y a une intensification d'action pour amener les parents à comprendre que la, jeune fille doit aller à l'école. L'UNICEF a intensifié de ce côté. Et aujourd'hui, je pense que le pari est en train d'être gagné parce que, euh, en tout cas, nombreux sont les parents qui ont compris que euh, il faut il faut aussi donner la chance à la jeune fille d'aller à l'école et euh, en tout cas de mettre toutes les chances du côté de la jeune fille pour aussi s'autosuffire. Merci beaucoup, Mohamed. Je vous en prie. À bientôt, on espère. Hein. Voilà, chers auditeurs, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Fanta, c'est Dispora. Oui, Mariam, et aujourd'hui, c'est notre chroniqueur sportif Gourouzan Zahasmi Karimou qui vient nous édifier sur l'actualité sportive. Parfaite santé. <laughs> Bonjour, Guzman. Bonjour, Myriam. Alors, euh, quoi de neuf ce matin voilà, euh, nous allons parler du football, comme vous le savez. Et oui, euh, Fanta Myriam, les 16e finales de la Coupe nationale a débuté, en tout cas lieu milieu du semaine et euh, la coupe a pris fin. En tout cas, les, les 16e finales ont pris fin ce week-end, à Niamey, le Liberté a concassé les électriciens hein, de la Nichelec sur le score de 3 buts à 0. Les Verts du nouveau marché, le Sahel, est venu à bout de Tagour de Dosso après les séances de tir au but car au temps réglementaire, le score était de 0 but euh, partout. Même scénario entre l'Union sportive euh, de la gendarmerie et l'AS euh, fan de Niamey vainqueur des gendarmes après les prolongations 1-1 au temps réglementaire. Victoire de l'Aïs Douane devant les Jeunes noirs de Zongo, le Zumunta, sur le score de 2 buts à 0. Même score 2 buts à 0 entre Akokana d'Arlet et Sonyenka de Tilaberi. Le Zongorzo de Maradi, tombeur de l'AS Police au tir au but. Voilà le, la huitième journée, en tout cas, et sera est prévue demain 9 mai 2023 entre Liberté et le Sahel. Gourouza, vous avez aussi prévu de nous parler du triathlon dans cette édition. Oui, Fanta, la Fédération nigérienne du triathlon a organisé hier dimanche à la piscine olympique de Niamey une compétition de détection dans plusieurs catégories, de 9 à 12 ans, de 13 à 15 ans et de plus de 16 ans. Il y a eu la participation de plus de 70 jeunes et moins jeunes qui ont montré leur capacité. Selon le président de cette fédération, Mourou Amadou, l'objectif de la fédération, c'est de découvrir des nouveaux talents. Merci beaucoup, Gourouza, pour toutes ces informations. Et à bientôt. Ah oui, à bientôt, ça bye fait bye. plaisir. Oui. Mariam, on passe au portrait du jour. Tu nous présentes qui ce matin Madame Sabu surtout entrepreneur dans la formation agroalimentaire, notamment la fabrication de jus naturels. Elle s'est lancée dans cette activité depuis bientôt 5 ans. Nutritionniste de formation, elle n'a pas attendu d'être engagée par l'État pour travailler. Et aujourd'hui, c'est à travers cette activité qu'elle se prend totalement en charge. Hawa Ousmane est allée à sa rencontre, on écoute. Avec un budget de 5 000, j'ai commencé à faire les jus, les bissap, les muhari de 50-50. Suite à la demande des clients, j'ai commencé les bouteilles recyclées de 000 litres. Je vendais le jus à 100 francs, 100 francs sur une dépense de 10 000, je gagne un bénéfice de 2 000 francs, malgré le revenu qui est tellement petit, mais j'étais tellement dégourdie à faire parce que c'est une passion à moi que je cultivais depuis longtemps. Donc, euh, c'est après ça, petit à petit, j'ai commencé à faire des bouteilles d'un litre et demi, recyclées toujours. Donc, un beau jour, j'avais eu une commande de 500 bouteilles pour un baptême. Donc, c'était depuis lors que j'ai commencé à lancer ma marque sous le nom de Nafsat en 2018. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la transformation et la vente de vos produits ah, Les difficultés rencontrées en tant que start-up qui évolue sur fond euh, fonds propres, sur euh, un budget de 5 000, mais les difficultés, il y en avait beaucoup. Au début, là, les ustensiles même avec lesquels je travaillais, il fallait que je me réfugie chez la maman pour prendre les bassines, les seaux, pour euh, augmenter avec ceux de chez moi. Donc, euh, les ustensiles qui entraient dans la production, dans le processus de la production des jus. Au début, je n'en avais pas. À une commande, quand je vendais, le bénéfice que je gagne, J'essaie d'acheter l'ustensile qui me manque ou l'appareil qui me manque ou l'emballage. Je fais un nouveau restockage de matière première J'achète, je dépose. Donc ainsi de suite, c'était comme ça. Mais on avait aussi la principale difficulté au début, c'est qu'on n'avait pas euh, autant de clients pour nous aider à écouler la marchandise parce que là, quand je produisais, là, il me faut beaucoup de jours. Hein liquider. C'était après que j'avais eu la méthode, bon là, je vais travailler que sur commande. Et c'est comme ça que c'est venu. Maintenant, on est en train de gérer euh, avec les alimentations. En tant que femme entrepreneur, quel message à l'endroit de vos sœurs qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat Moi, je conseille à mes sœurs, l'entrepreneuriat est vraiment important de nos jours, bien avant l'entrepreneuriat existait, mais sous plusieurs formes. Nos grands-parents, nos grand mères nos mamans qui sont au village sont des grandes femmes entrepreneurs qui nous, maintenant aussi, nous sommes en train de s'y mettre dedans. N'attendez pas de finir des études pour chercher encore du travail. Chercher du travail aussi, on perd du temps. Commencez, faites des activités la transformation. Il y a beaucoup de domaines. Vraiment, moi, j'encourage. Vous avez une, idée qui vous cloche, qui vous dérange de la tête, allez-y. C'est en essayant qu'on peut voir si est-ce qu'on est capable de réussir ou pas, est-ce qu'on est capable de tenir ou pas, est-ce qu'on est capable de bien faire ou pas. N'attendez pas un financement ou quelque chose. Commencez avec les moyens de bord. Parce que en commençant avec les moyens de bord, on se forge sur beaucoup de choses avant d'en arriver au niveau où nous nous voulons arriver. Travaillons, travaillons, travaillons. La lumière, elle est au bout du tunnel. L'entrepreneuriat n'est pas du tout facile, contrairement à ce que les gens pensent. Mais avec un peu de détermination, du courage, de la patience et de l'amour de la chose, ça ira. Donc n'ayez pas peur. En toute chose, il faut essayer pour voir si est-ce qu'on peut assurer. Et je compte beaucoup sur les femmes parce que les femmes sont courageuses. Ne restez pas croiser les bras, temps un travail. Créez le travail vous-même. Le reste, ça viendra. Merci à Ousmane pour ce beau reportage. Chers auditeurs, encore et notre tour à musique de Amanata de Hassanono. kashe yana maka c'était Amana de l'artiste Hassan Boukari ou encore Hassan Ounou. Mariam, on passe au loti du jour. Aujourd'hui, nous évoquons le sujet de la dot. Eh oui, la dot, c'est une somme que les prétendants apportent à sa future épouse. Mais de nos jours, certaines familles en font leur fonds des commerces et exigent beaucoup du futur mari. Et c'est justement de ça que les femmes du studio Kalangu parlent dans cette rubrique. On écoute Salamoto Kadri et Rakia Arimi affairage, affairage, affairage, affairage. Salmou, c'est comment tu vas bien Oui, ça va, je me porte à merveille, Dieu merci. Et toi Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu es là Voilà, je suis là. Tu vas au marché, non Faisons les chemins ensemble. Toi, allons. Tiens, ma fille se marie le 30 de ce mois. Tu es invitée, hein hmm. Au moins, toi, tu as eu la chance de marier tes filles. Mes filles sont posées à la maison. On dirait des meubles, même un simple bonsoir. <laughs> tu exagères. C'est parce que je ne suis pas trop exigeante sur le prix de la dot. L'essentiel, c'est que Dieu bénisse leur union. Béni quoi Bénissez c'est manche Pardon, hein. ce n'est pas avec ça que je vais acheter les meubles, les habits, moquettes et tous les tralala. Gam, tant que ce n'est pas un million, deux millions ou trois millions, je ne prends pas. Hey, bah... tu es sérieuse tu blagues, j'espère. Blague, va. Hein? Mes filles sont belles, Allah, intelligentes et bien en forme. Je ne peux pas les donner à n'importe qui, toi aussi. Hey, Alarba, dans un monde où les mariages se fait rare, les filles se prostituent à tort et à travers. La dégradation de mœurs est devenue le quotidien. Tu as le temps de refuser un mariage à cause de l'argent Hey, Salmou, le mariage d'aujourd'hui coûte cher. En plus, chez le marié, ils nous demande beaucoup, non seulement à cause de la valise du marié, mais aussi le rôti. Et les gestes de bienveillance aussi. Hum, c'est pas une raison pour exiger des millions. Imagine tu refuses de donner ta fille. Elle contracte une grossesse hors mariage. Tu sais que c'est une grande honte dans notre société Oui, tu as raison ma chérie. Mais je n'ai même pas pensé à ça. Surtout, tu sais, tes filles sont jolies, claires et en forme. Tous les hommes rêvent de les avoir. Voilà, tu as raison ma chérie et de me venir dans le quartier avec une grossesse hors mariage. Je vais accepter dès que ma fille me présente un homme dès ce soir. Tu vois, non, ma chérie, le rêve de toute femme, c'est de voir sa fille se marier et procréer un jour. Merci, ma chérie. Allons faire le marché ensemble. Allons-y, ma Toi, va. <laughs> les filles, pour vos conseils fantasieurs de la culture linguistique avec Jackie Dalton. Oui, Mariam, aujourd'hui, Jackie va nous édifier sur le mot welcome en anglais ou bienvenue en français. Hello and welcome. Welcome, c'est le mot anglais d'aujourd'hui. Il y a deux façons d'utiliser le mot welcome en anglais et elles peuvent être légèrement différentes. Alors la première façon, c'est pour saluer quelqu'un et de l'inviter à un endroit ou à un événement. C'est comme le mot bienvenue ou même bonne arrivée en français. Par exemple, si un ami arrive chez vous pour une fête, vous pouvez le dire welcome pour l'accueillir. Welcome to my home. Bienvenue chez moi. Welcome to the program. Bienvenue à l'émission. She is welcome. Elle est bienvenue. He is welcome. Il est bienvenu. La deuxième utilisation du mot welcome, c'est lorsque quelqu'un vous dit thank you, c'est-à-dire merci, et que vous répondez you are welcome. C'est une façon de reconnaître la gratitude de quelqu'un et de montrer que vous êtes heureux de l'aider. C'est comme le mot de rien français. Par exemple, si vous prêtez un stylo à quelqu'un et qu'il vous dit Thank you, merci, vous pouvez répondre en disant You're welcome, de rien. You're welcome. Allez, un petit test pour voir si vous avez retenu tout ça. Donc, si quelqu'un arrive chez vous, comment dire bienvenue chez moi Welcome to my home. Comment dire elle est bienvenue. She is welcome. Comment dire il est bienvenu? He is welcome. Et si vous prêtez un stylo à quelqu'un et qui vous dit merci en anglais, comment il dirait merci en anglais Thank you. Et vous Vous répondez de rien Comment dire de rien en anglais You're welcome. You're welcome. En résumé, welcome peut être utilisé pour dire bienvenue ou de rien. Welcome. That was today's English word. Thank you for listening. Thank you to Jackie. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un texto ou un message vocal au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Et Fanta, justement, nous allons écouter les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. isine se kala abdulaziz muhammadu guda kan sigane bonkuku ay si kala ne woga ya kwara studio kalangu lalle ay ga studio kalangu hangana gumo gumo studio kalangu asigira ga kana se mu zama labari fo kan borsi duga mara jiyo kindeira bumbo kulu studio ngai wo satu ngai no ga bangandi kan nan boramadu fahamai da bayrai da la sabu hanno studio kalangu din ga hanga radio ga yadi mono turuwa san fan san kedin bon mo aiga hangan danga portable no ya zaman go da bor man du karaji yono hangan go turuwa san fan san ko wata kulun go no e ba ni guru wakin dihin kawla guru fo lokaci kulkan bortunu dinna dango ga duwa eto hansen go kan ga bai mate kaki jumma hane emission maison de presse wono din to français nan ni ga te da iro dirga du imadu lokaci yankan i kakan iga barkate da zarmaki nan da hausa kine wallahi hay kulkanti bankan ga hangan studio kalangu se da bankan se studio kalangu hara kaga kanu ikulai fonda goida isabu ga tonan da ido gumo gumo wana wana eh Omar Hamma so studio na ya fulanki na naga te ai fonda goida isabu ga tonan da do gumo gumo da haikulkanti kulkanti i studio kalangu goiterei da i wakilai kayan go Niger labo kulu kap i kulai gai fonda goida isabu tonan da ido ga ngware mo ko mi ga kasina i goiga ka tonton wasamel khadijtu wuli tawlik ni sadar gan gasi i program wan kalangu ne kane a awasna rata shewada program wan kalangu ade shewad asmor yan gafa wannan tidem daga wadde qalana iban misisigra at kanna samwi daga an girma giya kanad maranan da iya hasil dara na gotnen ya gas daga amadal wa daga niger gadi ma daga disi darganan kul sai sawa da kanti hula wani na kana kanin ta hulta hulle haruna tayiro tabbas ina sauraron program in kalangu abun da nake gani cikin program in kalangu ya yi kyau kwarai kwarai tunda akwai yare da yawa da suke gayi kuma abun ga labarun niger da labarun waje-waje Voilà, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps de nous envoyer vos messages. Chers auditeurs, avant de se dire au revoir, nous allons accueillir Rafika qui nous revient avec les titres de la grande édition du soir. Rebonjour Fanta, je vais aller très vite. Nous avons la population d'Arlit qui est confrontée à un problème d'approvisionnement en eau courante. Quelques consommateurs ont réagi, vous les suivrez dans l'édition de ce soir. Ensuite, les premières précipitations enregistrées dans la nuit du vendredi au samedi dernier à Hamdelay ont causé d'importants dégâts. Vous les aurez, vous aurez les détails à 17h. Et enfin, notre partie magazine va porter sur la délivrance des pièces d'état civil à Tera. Elle parlera des différentes pièces et des personnes qui sont Merci beaucoup, Rafika. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour l'édition de ce matin. On se dit à demain pour une autre émission.